Ben, effectivement, le, bac a commencé sur euh, l'ensemble du territoire national. Et euh, ici, euh, au lycée Sergent Melamine Camara, nous, sommes un centre, un grand centre, puisque nous abritons trois jurys. Et on peut dire que tout s'est normalement bien passé. actuellement, nous sommes en train de, composer. les surveillants, les présidents de jury, ah, les candidats. Combien s'élève des candidats ici euh, Là, nous avons euh, trois jurys. Euh, bon, le tout, ça nous fait 1080. 1080. Donc répartis en, trois jurys. Les jurys 1769, un jury L2 qui fait 412 élèves, dont 249 filles. Euh, le jury 1770, euh, euh, qui est un jury mixte, qui rassemble les séries L2, S1 et S2. donc là, c'est un jury quand même assez important de 368 candidats. Et enfin, le jury 1771, un jury S2 avec 300 candidats. Y a-t-il un dispositif sécuritaire pour, le contrôle des élèves, des gens de candidats euh, Bien sûr, vous l'avez remarqué, je crois bien, à l'entrée, au portail. Il y a déjà euh, la police qui, est là, qui veille au grain. Mais au niveau des salles également, de classe, nous avons les surveillants. Donc, euh, on a déployé trois surveillants par salle. Et c'est pour effectivement un contrôle beaucoup plus serré donc des candidats. Euh, ce qui fait que, euh, bon, pour le moment, on touche du bois. Euh, le téléphone portable, les, candidats ont souvent l'habitude de les amener. Avez-vous pris des mesures concernant ces téléphones le téléphone portable est formellement interdit. Donc ce matin, quand je suis arrivée dans le centre, c'est les premières instructions que j'ai données en demandant à tous les candidats qui avaient leur téléphone portable de les déposer au niveau de, la sécurité, hein, euh, bien protégé, prénom, nom, bien protégé. Et euh, à la fin des épreuves, ils pourront récupérer leur téléphone. Euh, vous savez, à chaque fois, on le leur dit, hein, même sur leur convocation, c'est bien écrit. Bon, mais on voit toujours que les élèves, les candidats se déplacent avec leur téléphone. Donc, mais nous, ce que nous devons faire, chaque jour, on le fait y a-t-il des absences notées Oui, il y, a, quelques absents. Il y a quelques absents. Ils ne sont pas nombreux. Euh, mais il y, a deux absents dans un jury et deux malades. Euh, voilà. Merci beaucoup. Globalement, depuis ce matin, ils ont commencé avec l'épreuve de sciences physiques et tout se passe bien. Il n'y a rien à signaler pour le moment. Mhm. Oui, il n'y a pas de, choses assez particulières à signaler, sauf peut-être quelques cas de maladie quoi, émanant de certains, de certains étudiants élèves du un dispositif euh, Oui, oui, les forces de défense et de sécurité sont là. Ce matin même, ils étaient venus pour euh, s'enquérir de l'état de la situation au niveau du centre. Euh, les surveillants Oui, les, sont là et les secrétaires qui sont chargés également d'épauler les présidents de jury sont là. N'y a-t-il pas des absences Oui, c'est vrai qu'il y a quelques absents. Dans mon jury, j'en ai décompté 11 à 12 absences. Voilà. Euh, l'effectif s'élève à combien 300 étudiants, 300 élèves, 300 hein, élèves euh, pour la série S2. Voilà. Cette jury seulement seulement, seulement. Pour, la, pour le jury 1711, nous sommes 300 euh, élèves. Voilà. 300 Oui, initiative bidé, Comme nous sommes une école centre, là, nous avons ay dom qui fi ñëw di def bac des bac metti na metti way bu nga xamné mënul depuis 4 ans ma initier initiative bi ci ndigalu proviseur bi fi nekk mu jàppale ma ci bu école ubbee rek déjà dañuy dégager benn budget boo xam ne pour bag la budget boobu nag su jotee moom la ñuy togg ay mën a ceeb chaque jour fii ba bac bi di jeex dinaa togg ceeb dinaa indi ay boisson dinaa indi ay fruits dinaa indi ndox yi ngay gis yooyu ñu teg bac yi ci biti ak glace yeeg yëpp suñu association parents d'élèves moo ko jël en charge. parents d'élèves yi ñooy financé. ñoo ko fi waaw ñun suñu suñu association bi ñoo ko financé bu ñu ñëwee ñu defal leen ñëpp añ ba suur. amaguñu nag ku ñu accompagner quand même école bi daal. école bi mom ñom ñoo ñuy accompagner proviseur ci seen budget école bi daf ñu ci jappalé lu bari nak waaw buñ ko amone jël ko buñ ko amone jël ko mais vraiment sollicité wuñ ko kenn quand même. Ça va, Alhamdoulilah. Est-ce que les épreuves sont abordables Un peu, on peut dire, mais ça va. a la Bon, quels sont les sujets euh, sujet bi ñaari sujet dissertation la benn bi le BNBC c'est... le droit d'être différent est-il compatible avec la vie en société le premier sujet bi les commentaires. la philosophie la science africaine que sont abordables ah, ça va c'est abordable euh, alors je dirais que les épreuves étaient vraiment abordables en sciences physiques. Et voilà quoi. On a fait ce qu'on doit faire. Vous avez débuté par la science physique Oui, on a débuté par la science. C'était à votre goût Oui, c'était à notre goût, bien que le temps était court quand même. Personne n'a fini. Il y avait cinq exercices très longs et on n'a pas fini. que c'est votre premier examen Bon, non, non. Le stress, euh, on gère quand même. Vous Oui, on gère le stress. Après tout, euh, on a travaillé durant un an, parce que moi, depuis le mois d'août, je travaille. Donc, euh, je me sens confiante. Aujourd'hui, ce matin, on a débuté par la philosophie. C'était abordable. C'était abordable. C'était pas trop difficile comme ça. Le, sujet n'était pas compliqué. Non, c'était pas compliqué du tout. Parce qu'on avait fait les mêmes sujets en classe avec les profs, les exercices. On a... C'était à vous. Vous avez composé quel, quel, était le sujet On a composé sur euh, le sujet, le sujet portant sur le droit d'être différent. Le droit d'être différent est-il... Euh... Attends, j'ai un peu oublié. D'accord. Bon, j'ai un peu oublié le sujet. pas eu du stress ce matin en composant Non, pas du tout, pas de stress. Vous avez su bien gérer Je suis bien géré. D'accord. Merci. ah Machallah, c'était abordable lu euh, ñu ko yaakaare woon moom nekkul woon noonu moom vraiment.